le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Monsieur, dames, euh, bonsoir. Il est 18h euh, passé de 15 minutes à Niamey. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute euh, des programmes des studios Kalangou à travers nos radios partenaires. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons mettre sur la table le sujet de la consommation du tramadol une pratique euh, qui prend de l'ampleur euh, notamment chez les jeunes au Niger. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Ocritis, qui est à l'avant-garde du combat contre le trafic euh, de cette drogue au Niger, a saisi Plusieurs dogues d'une valeur de 13 milliards de francs CFA en 2018, euh, dont le tramadol avec près de 17 millions de comprimés contre 7 millions en 2017. Nous recevons ce soir euh, le professeur Jibo Dumamega, médecin-chef du service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey, un grand spécialiste de la question. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Et monsieur Kadoum Mustafa, spécialiste euh, de protection de l'enfant de l'ONG ANTD, qui est l'association nigérienne pour le traitement de la délinquance et de la prévention du crime. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et à la présentation, Rayle Soumana. d'abord, euh, merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence dans ce studio. Je commencerai par vous, professeur euh, Douma. Pourquoi il est interdit d'utiliser le tramadol hors prescription du médecin Mais avant, dites-nous d'abord euh, à quoi sert ce produit, pourquoi est-il prescrit Très bien, merci madame pour votre invitation et puis pour avoir choisi ce sujet que vous traitez aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, la question du tramadol. Alors, le tramadol, c'est un médicament de palier 2 utilisé pour le traitement de la douleur. Et le palier 2, qu'est-ce que le ça palier 2, c'est l'OMS classe les médicaments utilisés pour le traitement de la douleur en trois paliers. Le premier palier, c'est le, les médicaments les plus classiques utiliser paracétamol, anti-inflammatoire non stéroïdien, ce que tout le monde connaît. Mhm. Le palier 2, ce sont des médicaments un peu plus efficaces. Et parmi ces médicaments du palier 2 figure le tramadol. Et le palier 3, ce sont des médicaments euh, très forts. C'est essentiellement les opioïdes, euh, notamment la cocaïne et les dérivés de la cocaïne qui sont utilisés contre la douleur. Donc, le tramadol, c'est un médicament qui est utilisé pour traiter de la douleur. Pourquoi il est interdit Parce qu'il y a une mauvaise utilisation du tramadol en ce moment. Qu'appelez-vous mauvaise utilisation La mauvaise utilisation, c'est une utilisation en dehors de la prescription médicale. C'est une utilisation comme drogue finalement, parce que euh, le médicament tramadol a certains effets que cherchent euh, certaines personnes dont l'État n'indique pas la prise de ces médicaments. Dites-nous plus euh, sur ces effets qu'on ressent. Ben écoutez, vous savez, pour faire simple, quand on prend le médicament tramadol, à la base, c'est pour calmer la douleur. Il a des effets secondaires. Il vous donne une sensation de bien-être il vous épargne de l'anxiété, de la peur. Ceux qui rapportent les effets du tramadol qui ne sont pas du domaine médical disent qu'il vous donne le courage. On sait également que le tramadol, c'est un médicament euh, donc qui atténue la souffrance liée au travail, la souffrance physique liée au travail et bien sûr psychologique sur le coup. Et donc, et ce bien-être-là, donc pour tous ces effets, certaines personnes euh, soumises aux difficultés physiques et psychologiques du travail se mettent à consommer du tramadol, considérant alors dans ces cas souvent la fatigue comme une maladie et le tramadol comme le traitement de cette fatigue. D'accord. Et donc, euh, pourquoi ce produit est interdit ici au Niger Il est interdit parce qu'il est utilisé, d'abord, son usage a été détourné. Initialement, il est fait pour traiter les douleurs. Et c'est ce que les médecins et les agents de santé continuent à faire. Ils le prescrivent pour traiter la douleur. Malheureusement, euh, à cause de ces effets-là dont nous venions de parler, le tramadol est utilisé dans un autre circuit. D'abord une consommation illicite, non médicale, pour ces effets-là. Et quand c'est consommé de façon illicite, donc une consommation non réglementaire qui ne respecte pas la dose, qui ne respecte pas euh, les durées des prises, et donc forcément des complications mm-hmm. qui sont de plusieurs ordres. Quelles sont les conséquences de la prise du tramadol euh, dans le cadre non réglementaire On peut citer à l'échelle individuelle une détérioration de la santé physique, de la santé mentale, à l'échelle économique, euh, euh, tout ce que ça peut entraîner comme effet indirect qui va engendrer de, l'argent, effet indirect sur la santé du patient et sur le plan social, tout ce que ça va entraîner comme difficulté de relations sociales entre ceux qui abusent du tramadol et les autres. Merci, professeur. Nous allons y revenir avec vous tout à l'heure. Euh, Monsieur Kadoum, euh, dites-nous à quel moment euh, véritablement ce produit-là est devenu illégal ici au Niger. merci. Merci. vraiment, le docteur vous a un peu brossé en tout cas les, effets. Vraiment, le, par exemple, nous, en tant que structure qui amène des réponses à ce genre de situation, nous intervenons en tout cas au niveau de groupes vulnérables, surtout les enfants de la rue. Euh, euh, la consommation de ce produit-là, ça nous cause, en tout cas les conséquences de cette consommations, consommation, ça nous cause beaucoup de problèmes parce qu'il y a une consommation très avisive. Euh, vous ne pas sans savoir que les enfants, en tout cas, association de vulnérabilité, surtout les enfants de la rue, ils, sont, presque toujours <laughs> fatigués, si on peut le faire ainsi, et donc ils consomment ces produits d'une manière vraiment avisive avant d'agir sur euh, les conséquences sur ces enfants-là, qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'ils ils ne prennent pas ces, produits, pour qu'ils n'aient pas accès à ces produits Bon, ce que nous faisons euh, d'art dans le cadre de intervention, interventions, dans le cadre de la prévention, nous sensibilisons en tout cas tous ces marchands euh, qui, sont autour du marché ou dans les marchés qui vendent de, produits qui vendent de, produits médicaux sans autorisation, si vous me <laughs> permettez de dire ainsi, parce que ce sont des médicaments de la rue. Et même dans la rue, on trouve ce genre de médicaments. Or, ces médicaments, doivent, ces, ces doivent être en tout cas dans les pharmacies ce qui fait que ces enfants-là ont accès facile à ces médicaments. Donc, du coup, nous sensibilisons tous ces marchands-là qui sont autour de ces enfants-là, qui vendent, en tout cas, sciemment euh, à ces enfants, c'est des tramadol, conscient que ces enfants-là vont aller le consommer. Et en, en, termes de, de prévention, ce que nous faisons. Donc, euh, quand vraiment les degrés, en tout cas, de la prise est devenu autre chose, il y a des conséquences. Donc, nous saisissons en tout cas le, médecin. Et sinon, euh, chez le Douma, le, le c'est là où, quand on, fait tout pour que ça atterrisse pas, en tout cas au niveau, euh, euh, au niveau des hôpitaux. Bon, euh, des utilisations où l'enfant, le consommateur de seront obligés d'aller vers les hôpitaux. Sinon, nous, l'interdiction chez nous, vraiment, c'est une très bonne chose parce que ça va nous amener, en tout cas, à un peu ressortir ces enfants-là de la situation où ils sont. Merci beaucoup, professeur Doma. Encore une autre question pour vous. Et surtout, à quel moment les consommateurs se sont rendus compte que ce produit, ils peuvent l'utiliser à d'autres fins Vous savez, en général, tout ce qui nous arrive vient d'ailleurs. C'est-à-dire que l'humain, par nature, il voit quelque chose, il le recopie. Mhm. Les premiers constats de l'abus du tramadol ont été faits vers la Palestine. Et, c'est là-bas que les premiers abus du tramadol ont été euh, décrits. Et, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde euh, mondialisé où tout de suite... Euh, Dès qu'il y a quelque chose, ça peut être reproduit. C'est ainsi que ça s'est répandu pratiquement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voulez dire que le produit vient de la Palestine L'abus a commencé là-bas, c'est pas la Palestine qui a créé le produit, mais l'abus a commencé, les premières descriptions scientifiques ont commencé là-bas. Voilà, et puis après ça s'est exporté un peu partout. Et les, chercheurs ont commencé à s'intéresser à la question, celle de savoir pourquoi est-ce que euh, les jeunes abusent du tramadol, quelles sont les complications liées au tramadol. Voilà. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au Niger et on s'est rendu compte qu'en réalité, le tramadol, euh, euh, et les, jeunes abusent du tramadol. Il a parlé des enfants de la rue tout à mhm. l'heure. Nous avions fait un travail de recherche sur les enfants en situation de rue à Niamey et nous avions trouvé qu'il y avait 67% de ces enfants qui consommaient le tramadol. Les enfants de la rue. De la rue. Et ça, c'est une étude déjà de 2009. Nous sommes en 2019. Ça fait déjà une dizaine d'années. vous voyez que ça ne date pas de maintenant. Mhm. Et donc, et parmi ces enfants-là, la grande majorité des enfants consommateurs avaient des problèmes psychologiques qui en partie étaient probablement lié à l'abus du tramadol. Des effets secondaires, si on peut les Des ça. complications, je pense que c'est plus que des effets secondaires, mais des complications liées à l'abus du tramadol. On sait que ici, à, l'approche euh, des examens, les élèves et étudiants, ils, consomment certains produits qu'on peut appeler de stupéfiants. Et euh, moi, personnellement, j'ai assisté à une scène au pavillon A, à l'hôpital national de Niamey. Un jeune de 17 ans qui les parents l'ont amené. Et paraît-il qu'il a pris euh, des produits comme ça. Il avait euh, le, regard dans le vide, on dirait euh, qu'il est inoffensif, mais à un certain moment, une violence l'a pris et il, a fallu qu'on le maîtrise un peu. Est-ce que ce sont les effets auxquels vous faites allusion ben, Bien sûr, et à je parlais des effets psychologiques, c'est-à-dire que ça commence déjà par euh, un trouble de comportement social, des relations sociales difficiles entre eux, les enfants de la rue, et puis entre eux, et puis l'entourage. En plus, à un stade de plus, on a des complications psychiatriques, c'est que vous avez décrit, et qui nécessitent en ce moment vraiment le recours à éventuellement une hospitalisation. donc, euh, on a vu cette euh, complication euh, déjà psychologique, mais on a vu aussi des complications physiques, c'est-à-dire que des, des enfants qui, dans la rue, subitement tombent, ils sont dans des situations critiques qu'ici, euh, qu'on connaît sous le nom d'épilepsie, entre guillemets, qui sont des crises convulsives qui sont dues à un, abus du tramadol, à une consommation euh, d'une quantité importante de tramadol et souvent en une fois. Mhm. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le, le, tramadol, ici, à l'époque, probablement maintenant aussi, il est consommé associé à du café. C'est-à-dire, euh, quand vous mettez les comprimés, quand ils mettent les comprimés dans leur bouche, pour l'avaler, ce n'est pas de l'eau, c'est du café. Donc, vous voyez, le café lui-même est un stimulant, plus maintenant un autre stupéfiant. Imaginez un peu ce que ça peut donner complication. Donc il y a cet aspect-là. Maintenant, le fait de le consommer régulièrement va entraîner ce qu'on appelle une dépendance. À long terme, qu'est-ce que cela peut provoquer chez le consommateur euh, du tramadol C'est que vous devenez esclave de ce médicament-là. Euh, Comment On euh, ne peut pas rester voilà, vous ne pouvez pas rester sans prendre régulièrement ce médicament là D'accord. Donc on est dans une situation où si vous ne prenez pas vous êtes malade. Et si vous en prenez, vous êtes malade. Donc, vous un peu, on tombe dans un cercle vicieux. <laughs> Voilà, mais vous avez parlé euh, tout à l'heure euh, des enfants de la rue, mais le tramadol ne se consomme pas seulement en milieu urbain. Maintenant, avec euh, les travaux champêtres et autres activités, en milieu rural aussi, on a constaté que les jeunes en prennent. Ben Est-ce que l'étude s'est étalée aussi dans ces zones-là Oui, bien sûr. Nous, nous avons exploré tous les milieux. Et ce qui est, grave, c'est que en milieu rural, la consommation du tramadol, c'est une consommation naïve, c'est-à-dire euh, les populations consomment le tramadol de façon strictement, ils, ne la consomment pas comme une drogue. Pour eux, c'est pas mauvais de prendre le tramadol. Voyez-vous Pourquoi ils la consomment ben, ben, Parce que justement, c'est un médicament qui, entre guillemets, pour eux, traite la fatigue. Et nous savons que euh, euh dans nos campagnes, la vie est dure, il faut aller au champ, il faut aller euh, faire la paille, il faut aller... Les euh, femmes aussi en ah, consomment, paraît-il. Les femmes en consomment puisqu'elles doivent aller faire le bois. Donc le tramadol n'épargne personne. Et en plus, comme je disais, c'est une consommation naïve, c'est-à-dire que vous avez des, des familles dans lesquelles, bon, parce qu'on doit tous aller au, champ le matin, on se réveille, on, se partage le tramadol et puis on va à la tâche. Donc vraiment, c'est, et c'est, là où c'est grave. Et donc, on a, on a exploré euh, cet aspect-là euh, en ville, dans les, en milieu rural. On s'est rendu compte que le tramadol euh, faisait des ravages sur la santé, sur l'économie et sur l'aspect social de nos communautés. On est allé aussi dans les, dans les, dans les prisons, dans les maisons de détention, et nous avons remarqué là également que eh ben, la consommation du tramadol, c'était une, une situation courante. Mieux, je veux vous dire, à quel point la représentation du tramadol faisait en sorte que sa consommation ne pouvait qu'augmenter. Oui, mais la consommation augmente, d'accord, mais d'où ça vient Quel est le processus euh, d'acheminement jusqu'au Niger Est-ce que vous avez une idée ben, Écoutez, le, tramadol, euh, il n'est pas fabriqué au Niger, il est importé. Ça, <laughs> mais ça vient d'où <laughs> Ça vient de certains pays de, de l'Asie, euh, comme beaucoup de médicaments de la rue je ne vais pas citer le pays, mais ça vient de beaucoup de, certains pays de la de l'Asie, comme beaucoup de médicaments de la rue, ça vient en grande quantité au Niger, selon les, les, les, enquêtes. Et c'est à partir de notre pays que ce médicament est un peu exporté dans les pays de la sous-région. Puisque Vous dites que ça vient d'Asie, de quel côté à peu près euh, Écoutez, allez-y lire les, Moi, je ne vais pas citer le pays, mais, mais vous allez... Mais comment, hein, comment est-ce que ça entre dans le pays ben, Ça vient par, euh, par les mêmes moyens que tous les produits que nous importons. Par le port, ça prend la route, ça vient au Niger et du Niger, semble-t-il. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des enquêtes de, l'Organisation nationale des Nations Unies. nos frontières sont poreuses, euh, tout y passe. il faut il faut lire le rapport 2013 de de, de l'ONIDC pour comprendre un peu le circuit, de, des de, donc c'est décrit. D'accord. C'est pas. Ok. On va y revenir. Le temps de, donner la parole à Monsieur Kadoum. Monsieur Kadoum, vous qui êtes en contact avec ces jeunes, selon vous, à quel moment, à quel niveau est-ce que ces jeunes peuvent accéder à ces produits euh, Est-ce que c'est accessible financièrement C'est vrai que vous avez dit oui. qu'aux euh, par terre, mais est-ce que ça coûte cher euh, ou pas Bon, avant de répondre directement à votre question, uh-huh. je vais revenir un peu sur l'étude de 2009 dont le, vient d'évoquer. Sinon, euh, juste après l'étude, nous on appelle le tapage, que vraiment, vu l'ampleur, faites en sorte que cette situation ne soit pas, en tout cas, au niveau rural. Et très malheureusement, c'est euh, déjà, arrivé. Parce qu'on a fait tout pour que, le, en tout cas, les décideurs prennent des décisions pour que cette situation-là s'arrête et que ça ne contemple pas, en tout cas, les jeunes au niveau rural. Et très malheureusement, on est dans cette situation aujourd'hui où même au niveau rural, cette situation, elle est là, vraiment, et très malheureusement, elle est, même plus, en tout cas, <laughs> accentuée maintenant au niveau rural qu'au niveau urbain. Et du coup, nous, dans le cadre de nos interventions, ça, ça entrave, en tout cas, nos, nos, interventions en termes de réponse, en termes de sensibilisation. Et pour revenir un peu euh, à ce que vous dites vraiment, à, ta question, sinon, euh, c'est les troubadours, comme tous les autres étudiants, euh, hein, sont à l'accès facile. Eh, parce que eh, autour du marché, dans le marché, dans la rue, au niveau du marché rural, au niveau du quartier, vous avez ces produits-là et autrement des, des écoles. Mais euh, vous avez une idée de combien ça coûte euh, le tramadol euh, Une idée, non, je n'ai pas une idée en tout cas. Vous ne leur avez pas posé la question, ces jeunes-là On n'a pas posé la question. Vraiment, le tramadol, <laughs> on n'a pas posé la question aux jeunes. Ce qui est clair, c'est vraiment à moindre coût et d'accès facile. Et ce qui fait que. Donc, mais quand on avait pris des mesures, tout récemment par rapport au tramol, nous on a constaté qu'il y a eu vraiment beaucoup de recul. Ils n'ont pas accès eh, facile à ces produits-là et que n'ont pas ces moyens aussi pour se procurer de ces produits-là. Donc vraiment, du coup, eh, la mesure en taux de détection eh, chez nous, c'était la bienvenue vraiment. Parce que si on peut... On fait les sensibilisations en tant qu'ONG, on fait le, apporte des réponses, mais la sanction, c'est pas nous, en tout cas c'est le décideur. Donc, euh, euh, c'est le, les aides qui vont aller. Parce que si on atteint un degré où il faut, il faut arrêter, il faut, il faut qu'on arrête. Et comme euh, dit le professeur, vraiment, c'est, ce produit nous vient en tout cas euh, des pays d'Asie, on ne cite pas le nom mais quand nos États doivent faire très, être très vigilants par rapport, en tout cas, à ces, trucs-là. Mais moi, je pense que jusque-là, le problème est parce que les, les pharmacies partenaires sont là, <laughs> donc l'accès est là il n'y a pas que le tamadol. Il n'y a pas que le tamadol, il y a d'autres produits. Mais c'est <laughs> le tramadol qui est plus connu. Oui, qui est plus connu, mais peut-être il y a d'autres produits. Euh, plus d'effets, <laughs> je sais il a Le professeur est là pour nous le dire. Vraiment, euh, l'État doit en tout cas aller au-delà euh, des simples instructions du tramadol. Il doit même aller, en tout cas, moi, c'est selon que moi, et pour en tout cas l'introduction de ce, de ce produit par terre où l'accès est facile en tout cas aux, enfants et aux autres populations du Niger. Merci, M. Kadoum. Professeur Douma, il a parlé de qu'il y a d'autres stupéfiants. souvent, on voit Diazepam, diazépam, euh, D5, euh, est-ce qu'ils ont les mêmes effets aussi que le tramadol Ce n'est pas les mêmes molécules, ce n'est pas les mêmes effets. Mais le, tramadol entre dans, dans une situation globale de médicaments par terre en Afrique et au Niger en particulier. Donc, euh, toutes les mesures qui peuvent empêcher le circuit des médicaments par terre va sûrement affecter le tramadol mhm. dans le sens positif. Concernant le prix, euh, il faut considérer deux situations. Une situation d'avant l'arrêté qui interdit la détention et l'utilisation illicite du tramadol. Et cet arrêté a fait que le tramadol a intégré la liste officielle des stupéfiants au Niger, ce qui n'était pas le cas avant tous les travaux scientifiques sur le tramadol. Et donc, avant cet arrêté qui interdisait, qui interdit encore le tramadol, le comprimé de tramadol euh, coûtait 50 à 100 francs CFA. Un seul comprimé. Un seul comprimé. Et aujourd'hui, le comprimé de tramadol coûte 500 francs. Dans ce cas, si le produit n'est pas aussi accessible euh, aux consommateurs, euh, il doit y avoir au moins un impact sur la consommation. Forcément. Euh, l'accessibilité financière a diminué. Et donc, on peut supposer que la consommation du tramadol a diminué. Mais euh, ça a sûrement diminué, mais ça a surtout fait que la consommation est tombée dans la clandestinité. Le second avantage de cet arrêté, c'est que nous sommes passés maintenant de la consommation naïve, puisque les gens ne savaient pas que c'était la drogue, surtout en milieu rural. Maintenant, ils le savent. Ceux qui ne veulent pas prendre la drogue ne le prennent plus. Mais ceux qui le prennent, ils le prennent dans la clandestinité. Mhm. Donc, ça, cet arrêté a forcément eu un impact sur euh, un impact positif sur la euh, consommation, la du, la diminution de la consommation du tramadol. D'accord. Voyez-vous. Donc, euh, pour revenir un peu sur les les, les complications du, du tramadol, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan santé, à part les crises convulsives que les gens appellent l'épilepsie, le tramadol peut entraîner, entre guillemets, ce que les gens appellent la folie, c'est-à-dire mhm. au sens euh, plus large, quand quelqu'un perd le sens de la réalité, le tramadol peut être responsable. Est-ce que c'est réversible La personne peut en guérir euh, Quand euh, les les conséquences sur le cerveau ne sont pas euh, importantes, c'est réversible. Mais quand les conséquences sont importantes et la consommation a duré ou continué, et eh bien souvent, on arrive à améliorer la situation de l'individu, mais il ne retrouve pas en général mmh. ses facultés comme, comme avant. D'accord. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut, qu'il faut prendre en compte. Au-delà de ça, il y a un autre problème qui est peut-être pas euh, visible pour ceux qui ne sont pas des, des agents de santé. C'est-à-dire les prescriptions que les médecins font ou que certains agents font finissent par poser les mêmes problèmes que la consommation du tramadol dans la rue. En ce sens que les patients chez lesquels ces médicaments sont prescrits, si les agents de santé qui les prescrivent ne, font, respectent pas les règles de prescription, de poursuite du traitement et surtout d'arrêt du traitement, on se retrouve aussi dans une situation de dépendance où la personne ne peut plus arrêter, avec justement cette tendance à augmenter la dose consommée et donc à augmenter le risque de faire les mêmes complications que quelqu'un qui qui, en consomment de mm. façon illicite. Professeur, euh, le tramadol est aussi euh, considéré comme euh, la drogue de la fatigue. On en a parlé un peu tout à l'heure. Considéré aussi comme la drogue du djihadiste. Est-ce que pour faire leurs attaques, leurs activités, ces personnes sont sous ces produits Oui, vous savez, c'est tout comme, comme toutes les drogues, enfin toutes les drogues, les opioïdes. Quand quelqu'un prend un médicament de cette classe, quelle mhm. que soit la raison pour laquelle il prend, douleur ou pas douleur, s'il la prend pour la douleur, la douleur va se calmer forcément. Mais au-delà de, de calmer la douleur, la personne trouve une certaine sérénité. Il n'y a pas de peur. Mhm. La personne n'a plus peur. La personne a une impression de, de, de force, de puissance. Et je note au passage que ce médicament est aussi utilisé comme aphrodisiaque. Ah, il ne faut pas dire que les <laughs> autres vont entendre et puis ils vont commencer à utiliser. <laughs> Mais il y a les conséquences là. Donc voilà. Donc euh, euh, cette situation, les, ceux qui abusent du tramadol, ils disent que ça donne le courage. Au-delà du fait que ça donne cette sensation-là, mhm. ceux qui prennent le tramadol savent, vous avez moins faim. Vous n'avez pas faim. En tout cas, pas autant que quand vous ne prenez pas. OK Vous avez moins besoin d'alimentation et d'eau quand euh, vous, abusez de ce tramadol. C'est pour ça que peut-être les travailleurs sur les chantiers en prennent. Mais forcément. Et donc, est plus apte à travailler. Vous êtes moins sensible à la, aux souffrances liées au travail, à la pénibilité du travail. Surtout les mineurs, euh, les mineurs euh, dans les carrières. donc du coup, euh, on peut penser que les djihadistes, on peut penser que les miniers, ceux qui travaillent dans les sociétés minières, on peut penser que les cultivateurs, on peut penser que tous ceux qui font un travail dont la pénibilité est grande consomment du tramadol et en abuse. Mais dites-moi, selon vous, ils, en prennent pour atténuer la fatigue ou bien pour augmenter euh, le temps de travail, le rendement quelque part ben, Les deux vont ensemble. Quand on n'est pas fatigué, on continue toujours à travailler. Voilà. Et là où c'est grave, parce que c'est là où la, la situation est profonde, quand les gens considèrent la fatigue comme une maladie. La fatigue n'est pas une maladie. La fatigue, c'est un état qui survient après une sollicitation importante de l'esprit ou du corps. Mhm. Et la réponse à la fatigue, c'est le repos. C'est pas une maladie. Donc, du coup, donc, vous voyez, quand on considère la maladie comme une, euh, la fatigue comme une maladie, on est dans une logique en ce moment. Donc, il faut que je traite mhm. cette maladie entre guillemets fatigue. Donc, prendre des médicaments. et ça, c'est ancré, c'était ancré dans la tête des, des, personnes qui vivent en milieu rural. Et donc, du coup, euh, pour eux, ils sont en train de traiter une, un état euh, de maladie avec un médicament qui est disponible. D'accord. Maintenant, euh, est-ce que c'est le même tramadol qu'on retrouve dans les pharmacies, qu'on retrouve dans les pharmacies par terre Est-ce que ce sont les mêmes exactement C'est le même principe actif, c'est-à-dire euh, c'est le même euh, principe actif. Maintenant, la différence, c'est le dosage. OK Ce n'est probablement pas le même site de fabrication à l'origine. Parce que le tramadol qui est dans le, dans le circuit parallèle des médicaments, c'est-à-dire les médicaments de la rue, la contrebande, c'est du tramadol super dosé en principe actif vous avez des comprimés dosés à 325 mg aujourd'hui dans, la ville de Niamey, qu'ils appellent d'ailleurs tiré. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Tiré, expliquez à nos auditeurs qui savent pas. Tirei, c'est une, c'est une divinité uh-huh. puissante. Donc vous voyez à quoi on assimile le comprimé. Qui, qui, dont la personne être possédée, c'est ça Oui, possédée par cette divinité puissante. Et donc Qui fait quoi d'extraordinaire Kiré. <laughs> bon. <laughs> Eh ben, écoutez, il y a plusieurs noms. Et je, il y a plusieurs noms euh, donnés au tramadol. Et tous les noms donnés au tramadol font référence à la puissance font référence à la. Citez-nous deux trois, peut-être. Euh, que d'autres se retrouveront, des noms. Des noms de. Du Par exemple, il y a Chiré, il y a Dongo, il y a. Dongo, c'est quoi La foudre. C'est la foudre. Voilà. La foudre, vous savez, quand la foudre elle tape, c'est puissant la foudre. Mhm. Euh, vous avez. Euh, euh, comment en Hausa là ils disent goudou. Goudou, ça veut dire course. Mhm. C'est-à-dire que quand vous prenez ça, vous, voilà, vous êtes contre la montre, vous, vous avancez aussi vite. Euh, donc, vous voyez, tout est puissance, vitesse, tout ce qu'un être humain va vouloir, va chercher pour se valoriser. C'est ça. Voilà. Donc, on est dans cette logique et c'est ça la représentation. Mhm. Et c'est ça pour combattre le tramadol, c'est ça qu'il faut aller combattre dans la tête des gens. Il faudrait qu'on arrive à faire la comprendre aux gens que cette puissance-là, euh, ce n'est qu'une impression et que derrière tout ça, il n'y a que des complications. D'accord. Merci, professeur Douma. Avant de euh. terminer, monsieur Kadoum, qu'est-ce que vous faites euh, dans ce sens pour que les autorités viennent à bout de l'entrée de ces produits stupéfiants Bon, ce que nous faisons en tant que structure, même en de, tant que structure, en tout cas de la société civile, c'est de, on fait des de plaidoyers un peu des actions de. On interpelle en tout cas les autorités, les, décideurs à prendre des décisions par rapport à ces, à ces phénomènes. Nous faisons des conférences, débats, pour sensibiliser aussi les, décideurs. Nous, en tout cas, vraiment, en gros, voilà des activités que nous menons au niveau de ces, ces situations-là. Mais comme, euh, pour essayer un peu encore d'aller dans le sens que du, du Dumba, euh, tout à l'heure, il parlait de, de Dango, il parlait de Tiré, il parlait de, de Goudou, <laughs> qui est ça. Sinon, euh, même pour, euh, même le, en tout cas, le, le, le consommateur de ce là quand il va chez le revendeur, euh, c'est du Goudou, lui déjà du coup c'est vraiment il faut doser ça <laughs> c'est une espèce de code entre de code c'est vraiment tirer ce que c'est pas un ou deux que je veux je veux beaucoup tu vois c'est vraiment ou bien quand ils sont dans des trucs de bagarre au là donc ils consomment plus <laughs> avec ces là d'accord euh, moi, je pense que euh, ce qu'il faut faire au niveau de. Faut ne pas essayer de faire, de prendre des mesures, euh, de décret au mais il faut vulgariser ça. D'accord je vous propose à présent de suivre Moussa Seydou Agali, le secrétaire général de la préfecture de Belayara dans le département de Tilaberi, qui fait le point sur la consommation du tramadol dans son département, lequel, selon certains, serait reconnu pour la forte consommation en stupéfiants par les jeunes. Cependant, le secrétaire général de la préfecture souligne que des actions sont menées pour dissuader la vente et la consommation du tramadol par la population. Des propos recueillis par notre correspondant à Baleyara, Seyd Abdou Winditan. Dans les années passées, Baleyara a connu en tout cas une période de consommation abusive d'un certain nombre de stupéfiants, dont notamment le tramadol. Au vu de l'ampleur qui a pris vraiment cette consommation qui touche à une frange euh, vulnérable dont notamment les jeunes, de concerts avec euh, la chefferie traditionnelle et cite euh, aussi à une délibération du conseil municipal en 2015, nous avons pris un arrêté d'abord interdisant la circulation, la vente et la consommation de ces stupéfiants au niveau du département de Balayara. En plus de cela, nous avons initié la mise en place des comités au niveau des villages qui sont présidés par euh, les chefs des villages pour vérification des vendeurs en bilan s'ils ne sont pas en train de vendre, euh, nest espace ces produits nuisibles. Et en dehors de ça, nous avons des concerts avec la radio d'Alol et d'autres partenaires, dont notamment Radio Klangou, initié en tout cas plusieurs émissions de sensibilisation de ces jeunes par rapport à la consommation de ces produits nuisibles. En dehors de ça, avec euh, l'installation de la direction départementale de la police, nous avons accentué, n'est-ce pas, le contrôle, un contrôle qui est hebdomadaire. Chaque dimanche ou chaque week-end, les jours surtout du marché, il y a une patrie urbaine qui s'occupe de ça. Et en dehors de ça, chaque lundi, avec notre conseil départemental de sécurité, on échange, on discute par rapport aux mesures à prendre pour vraiment diminuer cette consommation de ces stupéfiants. Donc, euh, ce qui vient encore renforcer toutes ces mesures, c'est surtout ce que nous voulons d'avoir, l'installation d'une antenne dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites de drogue au niveau de la direction départementale de la police. Donc, euh, il faut retenir que pratiquement l'année 2019, a été une année en tout cas de succès par rapport à ça. La consommation a largement diminué. Donc avec euh, les jeunes aussi, nous avons eu à faire en tout cas des débats. Et généralement, quand on vient dans nos missions, on prend ça comme étant des termes vraiment, des thèmes euh, euh qu'on discute, en tout cas une fois à l'intérieur, en contact avec la population. Donc voilà en résumé les mesures que nous avons adoptées pour diminuer je ne dirais pas que c'est fini complètement, mais quand même, les données qu'on a, en tout cas en 2019, on n'a pas enregistré des victimes liées vraiment à la consommation de stupéfiants. Ainsi s'achève cette émission sur la consommation du tramadol au Niger et ses conséquences sur la santé. Retenez que l'utilisation du tramadol hors prescription des médecins est interdite par les autorités nigériennes et ce parce qu'il est utilisé comme drogue. Selon le professeur Douma, sa consommation abusive peut provoquer une dépendance qui pourrait entraîner des complications sur la santé du consommateur. Mais malgré de nombreuses sensibilisations, les jeunes seraient les plus concernés par cette pratique, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. En 2009, selon le médecin, une enquête a révélé que près de 70% de ces jeunes consomment le tramadol, une situation que déplore M. Kadoum de l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et de la prévention du crime ANTD. Pour débattre euh, du sujet, nous étions avec euh, professeur Douma Meiga, médecin-chef euh, du service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey et monsieur Kadou Mustafa de l'association nigérienne pour le traitement de la délinquance et de la prévention du crime ANTD. Merci à vous de nous avoir honorés de votre présence, chers invités, pour débattre de ce sujet ce soir. Prochain rendez-vous des programmes de Studio Kalangou demain à partir de 17h sur les zones de nos radios partenaires et sur WhatsApp au 80 06 88 54. C'était Rayla Tsumana à la présentation et Issa Laoli à la technique. Au revoir.